courtoisie. Et nous en réjouissons de voir le président Ndiaga Kessé, qui est aujourd'hui le président du comité de gestion du stade municipal. C'est vraiment quelque chose de mérité parce que Ndiaga joue un rôle très important dans la commune. Nous vous félicitons pour ça. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'équipe du conseil de quartier de Jachlem 5B qui jouera la finale du samedi. Et nous, mairie, avec la délégation que nous sommes, il y a le CC, il y a aussi les conseils, la MULSO, euh, le maire Sambandjaï. Nous venons vous voir pour, vous parler et vous expliquer que ce n'est nullement la compétition exactement qui est importante, mais votre participation, qui a été très très très remarquable et très remarquée dans, dans les deux sens, que ça soit sportif, parce que vous êtes la seule équipe qui a eu à gagner tous les matchs. Donc nous vous disons bravo. Et aussi dans le fair play que vous avez su mettre, ça aussi nous vous disons bravo jusqu'à cette finale-ci. Nous vous appelons encore à redoubler d'efforts dans ce sens-là. Ce fair play qui a toujours prévalu. Et donc, capitaine, nous vous disons, avec l'ensemble de vos supporters, cette finale-là est la vôtre. C'est la fête des Jachelem. C'est la fête de tous les Jachelemois. Et nous vous demandons vraiment que ça se joue dans un esprit de fair play, d'autant que ça correspond à un événement majeur. L'événement, c'est quoi C'est nous comptons ouvrir le stade municipal à la population des Jasla. Donc nous souhaitons vraiment à tout un chacun de pouvoir jouir de ce bijou-là qui appartient à HLM et qui aujourd'hui devrait et sera notre fierté d'aujourd'hui et demain. Donc vraiment, ce sont quelques mots-là que nous tenions à partager avec vous et vous encourager et vous souhaiter et vous souhaitez vraiment une belle finale et que le fair play puisse l'emporter. Moi, je ne dis pas, par exemple, que le meilleur gagne. Mhm. L'équipe la plus fair play puisse l'emporter. Moi, c'est en ce sens-là que je parle. Et je vous dis, coach, bonne chance. Et je prie que vous gagnez euh, cette finale-là si vous êtes plus fair play. Nous venons aussi vous donner, euh, vous donner un bon de football. C'est-à-dire, euh, coach, à capitaine et aussi cette modique somme de 50 000 pour vraiment vous, euh, que vous puissiez préparer au minimum moins la finale. Hmm. Ouais, nous, nous félicitons aussi euh, <laughs> le, conseil de quartier à euh, Boy, M. Boy, vraiment qui, a été toujours là dans la Coupe du Maire. Donc à vous tous, merci. Et que la finale soit une belle fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. nous je remercie M. le maire pour cette belle initiative d'avoir voulu organiser euh, euh, la Coupe du maire des conseils de quartier. C'est très important parce que est dans le but d'une participation inclusive et participative de toute la population à la gestion communale. Donc, c'est l'on de remercier les finalistes. ASC e, HLM HLM ah, 5B ak euh, conseil de quartier HLM 1 di ñëw rek ci esprit de fair play par rapport ak monsieur le maire bi mu wax boo xam ne moom la ñu bëgg mu daw donc di ko wax rek monsieur le maire ñoom déjà fair play bi dañ ko wane. parce que gis nga vous leur avez donné l'enveloppe ñoom man lañ ko delloowaat. léegi man dama am problème foog ma delloowaat leen ko. donc di wax ne rek HLM 5. HLM euh, bi yëpp liñ ci bëgg rek mooy que ñu xam ne HLM tey aujourd'hui moom mooy gagné liñ fi bëgg moom mooy ñëpp ànd nekk benn ñu liggéeyandoo lépp lu fi mën doon ti am loolu weesu nañ ko fu mu nekk nii ci lu ñu jublu mooy taxaw liggéey intérêt HLM intérêt HLM bi yëpp nag mooy ñu jàppale monsieur le maire mu eggali mission am Bunyi ñu demee nag ba yegg ay élection wala leneen ku nekk dem fi nga far mais fu mu nekk nii lenn rek fi am HLM di di sant ñëpp di gërëm ñëpp que je viens vous revoir. Monsieur le maire s'est déplacé dans le cadre de la finale. De la finale du Coupe du maire. Moi prévu, moi le 4 prévu le 14 et qui oppose le conseil de quartier des HLM 1 et le conseil de quartier des HLM 5B. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous réjouissons vraiment de voir cet engouement-là autour de cette équipe-là. Et venons rencontrer le président du conseil de quartier, M. Abouniaï, l'entraîneur, le, M. Falpelé, M. que nous connaissons très bien, et qui aujourd'hui et qui aujourd'hui est une référence dans Donc c'est avec un grand honneur que le maire des vient rendre visite à ce grand monsieur-là. Monsieur Fall, Soyez rassurés que nous sommes contents que vous vous associez à votre jeunesse, à la jeunesse des HLM, pour les encadrer jusqu'à aujourd'hui qu'ils soient en finale. Cette finale qui serait pour nous une grande fête, la fête de tous les HLMois. Et nous demandons par là même que toute la population soit, des HLM soit derrière cette équipe-là et que cette finale-là se joue dans le fair play le plus total et que nous prions pour que l'équipe la plus fair play puisse gagner cette finale-là. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de cette compétition que les gens ont mis en valeur, que les gens ont mis en exergue, l'important était la participation. Parce qu'il faut le rappeler, depuis des années, les Coupes du Maire n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, vous avez fait, vous joueurs, de cette Coupe du Maire une réalité. Jusqu'à ce qu'on qu'une finale historique puisse avoir lieu pour la première fois. Le stade municipal des HLM sera ouvert et vous serez les premiers à y jouer. Donc, il vous revient à vous d'écrire l'histoire dans le sens souhaité par la jeunesse des HLM aujourd'hui qui aura, qui vous va vous suivre. Capitaine, vous allez mener votre équipe. Nous, nous, nous, pensons à bien, à savoir à la fin que vous soyez vainqueur que vous soyez vainqueur. Il y a aussi, il y a aussi le président de, il a aussi le président du conseil de quartier des HM5. ce qui est là? Ouais. Qui a tenu à nous accompagner. Aujourd'hui, c'est lui le président du comité de gestion. S'il est là, ça veut dire que c'est HM qui est ensemble. Et donc, vraiment, nous vous disons, euh, président, euh, cher capitaine et cher euh, que nous nous contents l'OL. Et que nous juste pour vous encourager et aussi pour que vous defar seen final final finale xam ne yéen ñaa ko mhm. avec nos maigres moyens. nous mhm. indi balle. comment est commence que na ngeen entraîner nous nous donnons aussi entraînement voilà voilà. nous venons aussi avec une menue somme 50 000. pour vous préparer pour vous donner l'opportunité de mieux préparer votre finale de mieux préparer votre finale nous la remettons au président du conseil de quartier qui saurait ce en faire. Je tiens à vous le rappeler. L'objectif, ce n'est pas de gagner, mais c'est de participer honorablement. Encore une fois de plus, nous vous remercions de votre participation très appréciée. Parce que franchement, dans un premier temps, vous avez été battu on vous a remis dans la, dans la, compétition. Vous êtes pas venu en un finale. Donc, c'est parce que vous êtes très fort. Mort, mort, je vous le demande. Soyons, soyons plus calmes dans les matchs. C'est ça. Et vous serez de meilleurs joueurs. Parce que vous, nous, c'est pour vous que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Les gens disent meilleurs jeunes, meilleurs Mais nous, nous sommes pour gérer ce que nous sommes. nous sommes pour que ça soit vraiment, pour que nous trouvions des solutions pour HLM, e dans tous les domaines. Président, je m'en vais juste répondre à une interpellation. Moi, suis ñu gasal ne Je dañuy wax ah, man du ma wax dina euh, xaate il était prévu vraiment de faire un jardin public ici on va en parler davantage avec vous les jeunes parce que ce que si sur Dakar va parler. on va essayer de voir sur le monde, parce que c'est déjà acté à part ça, vraiment, nous, encore une fois le plus, nous vous demandons de jouer cette finale-là dans le fair play le plus total et que HLM puisse gagner. Bonne chance à vous tous. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Capitaine. Merci beaucoup, Coach. Donc, le c'est tout On est très contents du tournoi à Biamé. Man premier match j'ai pas assisté mais après la défaite à bout les les autres ma pour m'adapter y avait la discipline et on est parvenu jusqu'en finale je crois que cette finale là on va le jouer dans un bon esprit de fair play et le meilleur va gagner Ben du moins, je parle il y a Il ASC y a des jeunes qui ont été entraîneurs. entraîneur mais ils ne peuvent pas faire le diplôme je voudrais que monsieur le maire, nga à la direction technique nationale, à la fédération sénégalaise de football, 7 ASFM, qui n'est qu'un des 3 boys, nous devons licence D, plus 4 personnes, nous avons beaucoup 25 personnes, tu prends ça en charge. Man, lol, moi, c'est mon souhait, lol, la bougoune, nga defolko, la jeunesse des gestes. Je suis dis, c'est un peu, monsieur le maire, nous sommes tous les deux de la CIAD. de Rafael parce que Rafael est notre mais man li may lancé moom du dara dara mooy man supporters yi yéen laay waxal supporters yi waaw ngir yàlla ak yonent bi waaw ñun dañ dem pour foo foo foo nag ak fula ak fayda foo si fula ak fayda mais bëgguñu xeex bëgguñu xuloo bëgguñu violence bëgguñu dara te bu soobee yàlla ba quatre-vingt-dix-neuvième minute ñun ñooy gagné gëm leen loolu suñu mënee cinq zéro ñun ñooy gagné six cinq mais lépp ci yar la yar fair play waaw man loolu laa fair play ñu ngi lay dalal biir HME di la wax axlan wa saxlan ci euh, sunu terrain carré bi euh, mu doon terrain bu historique aussi ndax waa HM mën naa wax ni mag yëpp a fi foowee waaw ba ci ñenn yenn paa yi sax fii lañ foowee donc bu ñu ñëwee tey conseil de quartier HME finalu ci lu ñuy woowee coupe du maire ñu ne dañuy entraîner ñu ñëw ne terrain carré bu HME la ñuy entraîner kon euh, mën nañ wax ni wàccuñu sunu ànd ndax mënoon nañ dem terrain moom sa réew wala terrain weex bee mais dañ bëggoon rester biir HM1 moo tax ñu ne fii lañ koy defee ñu ngi lay dalal fii euh, ak sa délégation di la présenter tamit sunu sunu entraîneurs yi ginnaaw sunu kilifa Pelé ci ginnaawam am na Ousmane Sarr am na Arona waaw <laughs> Mam As aussi mu ngi fi ak euh, ànd ak euh, bureau conseil de quartier bi Moon Ndiaye ñu ngi fi ak euh, waaw di la présenter aussi sunu équipe muy équipe boo xamante ne franchement dañoo neex a àndal ay xale lañ. mais mu doon ñu doon ay xale yoo xamante ne yu déggal seen i mag déggal seen i kilifa ba ñu àndeek léegi man dama leen fan man personnellement dama leen fan parce que musuma gis benn acte d'indiscipline ba tournoi bi ku commencé ba léegi musulam musulam moor mi nga doon euh, kaañoo léegi keroog ba mu defee loolu dafa reetaan ma ne ko moor doucement mu ne non damay kaañoo rek damay amuser wu damay neexal match bi donc c'était dans dans un esprit fair play euh, équipe Bengini, M. monsieur le maire di ñaan aussi nga ñaanal ñu ñu jël euh, trophée bi xam nga di waaw yaa ngi le président du comité de gestion de du SAT, muy sunu frère di ku bax aussi waaw mom moy euh, président président Ndiaga Kassé di président aussi ASC 5 donc si ko gisee ci délégation bi sait que c'est nous dans nous voilà voici HLM HLM mu Nous, nous ñun HLM 5 même chose Nous, nous même chose joueurs na ci doon donc nous avons dans l'esprit fair play comme nous avons commencé ñu terminer ko Nous avons dem ñew indil ko wa HLM inshallah tay suñu borom dina ci bu présenté commission suivi évaluation du conseil de quartier bi mo Isaac Diagne actuellement représente tout le conseil de quartier des HLM1 donc ñom conseil de quartier bi ñu monsieur le maire Samba Ndiaye tous les conseils municipaux yu hm à savoir Nyom Bilal Nyom Momar Nyom Tali Nyom Marem Dieng ñoom ñëpp représenté na leen waaw ñu ngi di euh, à toute la population de venir supporter leur équipe dans le fair play parce que encore une fois de plus je le dis à haute voix c'est HLM qui va gagner dans ce tournoi là parce que c'est l'esprit qui prévaut que la jeunesse HLMoise puisse, puisse se prévaloir et se valoir. Que l'ASC, notre grande ASC, puisse savoir qu'il y a de véritables talents. Et que je vous le rappelle, il était question aussi de savoir quelle était la préférence de métier ou bien de qualification que voulaient faire nos jeunes pour après faire des formations. Donc si nous sommes là avec vous et que la référence peut l'être, dit qu'il voudrait que nous allions dans la formation de futurs entraîneurs, donc nous ne pouvons qu'être rassurés. Parce que le soubassement de cette activité était ça. Nous savons la jeunesse le bug. Si vous voyez dans les documents que nous avons remis au conseil de quartier, il était bien écrit émargement et métier à faire pour que les jeunes disent que métier un bëgg métier, def au moins nous sommes pareils, Lo xam ne suñu la suñu warugar la ñu wutal leen xol leen encadrer dans ces formations là donc nous avons pris bonne note et nous allons après ces finales là continuer vraiment à lo xamné mom mo ñu war à savoir encadrer nos jeunesse la notre jeunesse donc je le répète la finale le vainqueur de la finale aura 1 million de francs CFA 1 million de francs CFA que nous a bien donné l'international sénégalais Mbaye Le deuxième aura 500 000. Les autres trophées, les vainqueurs d'âme et autres là, ils sont aussi honorés. Donc à vous tous, nous vous disons merci et que la finale soit belle pour la population des HLM. merci beaucoup.